le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou qui sont diffusés en direct par l'ensemble de nos radios partenaires dans toutes les huit régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook à Studio Kalangou, notre site internet à www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Quel rôle jouent les artistes nigériens dans la lutte contre le coronavirus au Niger C'est le thème du forum d'aujourd'hui. Depuis la de la pandémie du coronavirus dans le monde, des messages sur la prévention sont donnés. Des personnes de différentes couches sociales se mobilisent face à cette pandémie. Ainsi, les artistes, selon leur style musical, apportent également leur pierre à l'édifice de la lutte contre cette maladie. Ici au Niger, plusieurs clips musicaux ont déjà été réalisés. Alors, quel est le rôle que doivent réellement jouer les artistes dans cette lutte contre le Covid-19 C'est pour répondre à cette interrogation principale et à bien d'autres que nous recevons dans ce studio Altes Slammer qui évolue dans l'univers du slam. Bonsoir Altesse. Bonsoir à vous. Et merci d'être venu. Au bout de la ligne, nous avons l'artiste musicien Mamansani dit Admoulmoula. Bonsoir Mamansani. Bonsoir. Merci de rester au bout de la ligne pour cette émission. À la présentation, c'est Nefis Adam Sirfo. Chers invités, merci euh, d'avoir accepté l'invitation de Studio Kalangu. Tout d'abord, euh, chers artistes, euh, je vous donnerai la parole pour nous parler brièvement de vos carrières musicales. Je commence par Maman Sani qui est au bout de la ligne. Maman Sani, merci d'être au bout de la ligne. Merci, merci, je vous en prie. Alors, dites-nous, vous êtes artiste musicien. Quel est d'abord votre style musical ben, merci. Je dirais que mon famille est un artiste musicien, auteur, compositeur, interprète. Je joue et fabrique euh, des instruments de musique euh, traditionnelle euh, de Gurimi, la Graya. Le quoi Le Gurimi, qui est un instrument à cordes, et Graya aussi, qui est un autre instrument à cordes. Ok, des instruments traditionnels. Oui, oui des musiques traditionnelles du Niger. Ben, moi, en ce moment, en tout cas, je peux, je peux dire que moi, je fais plutôt de la musique, euh, de la world music. Parce que, qu'est-ce que j'appelle world music C'est une musique dans laquelle on peut retrouver différents instruments de, différents, de différentes parties du monde. Mm-hmm. Moi, particulièrement, je joue des instruments, j'utilise des instruments de musique traditionnelle du Niger, mm-hmm. mais néanmoins, je, participer d'autres instruments de, musique euh, occidentale, euh, orientale et tout dans mes musiques. Et donc, c'est pour cela que j'appelle ma musique world music. D'accord. si on veut, on peut bien dire que c'est la musique aussi traditionnelle du Niger de temps en temps. Mhm. Mm. Oui, et depuis quand, euh, depuis quand avez-vous commencé à chanter Depuis quand vous avez commencé Bon, moi, je, dirais que j'ai véritablement commencé la musique en, 80, en 1997 parce que c'est c'est en ce moment seulement que euh, mes amis et moi, nous avons créé un groupe de rap qui s'appelait Mazanfagui à l'époque. Hmm. Euh, moi, je suis entré dans la musique à, par le rap. ok, vous avez débuté avec le rap Oui, oui, oui, j'ai commencé avec le rap. Et donc, avec mon groupe Mazanfagui, nous avions sorti notre première chanson qui parle de la dépigmentation de peau du Netsususu en, hmm. en 99. Euh, et donc, comme ça, nous étions l'un des, l'un des artistes, en tout cas du domaine du rap, qui ont commencé à arriver, les, les, premières, chansons du, du hip-hop nigérien. Mhm, mhm. Euh, voilà. Mm, mm, mm. Du rap à la musique, euh, world music euh, traditionnelle, si on peut le dire. Pourquoi ce changement Il faudrait dire déjà que moi, depuis le début, avec mon groupe, on, on faisait du rap. On, on C'était du rap qui est une musique qui sort de la culture hip-hop et que nous, nous savons que la culture hip-hop est une culture qui a quitté l'Afrique pour aller aux États-Unis, mmh, se mmh, mmh. développer là-bas. Mais bon, alors nous, nous avons compris depuis le début que euh, cette musique hip-hop est une musique qui prenait, qui tenait en compte, qui tenait en compte les réalités du milieu dans lequel évolue l'Afrique. Et donc nous, nous nous sommes dit que depuis le départ que la musique, notre rap doit avoir une identité du Niger. Mhm. Et c'était pour cela que depuis le départ, souvent dans nos rap, en tout cas déjà avec notre première chanson Tous Tous, on avait utilisé l'instrument balafon. Mhm, mhm. Maintenant, en, 2001, quand nous avions participé dans la compilation Monde Stop Sida, on avait utilisé Gaudier et, ainsi de suite. Après, nous avons, plus en avançait, plus on utilisait des instruments de musique beaucoup plus nigériens. Et, donc, c'est pour dire que nous, euh, Aujourd'hui, ce n'est pas véritablement un changement qui mhm. s'est opéré dans ma carrière artistique, mais c'est plutôt mhm. une continuité. parce depuis le on aimait jouer les instruments. Enfin, faire jouer des instrumentistes. Mais c'est juste qu'après, je me suis dit qu'il fallait au moins apprendre à jouer d'un instrument. D'accord. Voilà. Et, selon mm. vous, euh, ce style, est-ce qu'il est beaucoup plus apprécié que, que le rap Parce qu'on sait que les jeunes s'intéressent mieux au rap. Oui, euh, en fait, je parle de, j'ai parlé de développement tout à l'heure dans, ma carrière parce que euh, effectivement, la musique hip-hop est une musique qui peut-être est destinée beaucoup plus aux jeunes. Mhm. Cependant, même quand nous étions, nous faisions le rap et, avec mon groupe Mazan Fadi, il faut mhm. dire que nous, notre rap, compte tenu du fait qu'on utilisait déjà des instruments de musique traditionnelle du Niger mhm. et qu'on rappelle soit en Hausa, en Germain, en Peul, en mhm. voilà les langues du Niger, pour hmm, on les priorisait. Donc, euh, même en ce moment, notre musique était ouverte aux grands, aux plus anciens, mhm. enfin aux moins jeunes. Ils euh, l'aimaient bien, mais il a fallu que je me lance concrètement dans la musique euh, traditionnelle pour que euh, le chant, le chant, mes auditeurs soient élargis. D'accord. Donc, c'est vraiment quand j'ai commencé vraiment à jouer mon instrument et à faire des productions de musique euh, mhm. avec les instruments traditionnels, que voilà, je fais ce que je fais je suis ce que je suis avec le public. être. D'accord. Merci bien, Maman Sani. Euh, restez toujours euh, au bout de la ligne, le temps de donner la parole à notre invité présent ici dans ce studio, Altesse Slammer. Vous êtes Slammer Altesse. Présentez-nous ce style. Qu'est-ce que le slam Le slam, ce que je peux dire, le slam, c'est de la poésie orale sur scène. Le slam vient du mot grec, si on peut le dire, shelem. Shelem en anglais veut dire claquer, ce qui le renvoie automatiquement par la manière de faire qui est bien sûr la déclamation. Mhm, mhm. Ça C'est-à-dire, que pour être slameur, il ne suffit pas de faire des rimes, de faire des vers. Il, il s'agit aussi surtout d'avoir un ton, d'avoir une tonalité, d'avoir de la force en déclamant les vers. Mais à la base, le slam, c'est juste de la poésie orale. Tu écris une poésie orale, tu écris une poésie et tu le transmets sur scène. Mais un texte de slam à l'écrit n'est qu'une poésie. Il reste demeure une poésie. Mais une fois que celui qui le prend commence à le lire, la personne devient en ce moment slammer. Si aujourd'hui mm. je te tends un texte de slam, que j'ai un texte de poésie bien rédigé, je te le donne, tu commences à le déclamer, mm-hmm. cest à dire qu'en ce moment, tu deviens slammer pendant ce temps. Mais la différence entre le slam et la poésie que nous connaissons tous, le slam est venu surtout rompre avec toutes les règles ennuyantes, je peux le, du terme. Quand je dis toutes les règles ennuyantes de la poésie classique avec la poésie classique, il y avait tellement de, il y avait tellement de normes, il y avait tellement de règles à respecter. Mhm. Les quatrains, les alexandrins, les vers, le nombre de vers qu'il faut faire, le nombre de mots qu'il faut avoir dans un vers, tout ça. Mhm. Quand Quand slam est venu, il, a, a, cassé tout ça, c'est-à-dire maintenant ce qui importait, c'était surtout le sens et surtout la déclamation. Mhm. L'important n'était pas surtout de voir si le poète a respecté les codes. C'est peut-être un ouf de libération pour tous ceux qui écrivent de la poésie. Et vous, comment est-ce que vous êtes devenu slameur Je peux dire que c'est un peu <laughs> une question de destin, mhm. parce qu'à la base, moi, quand j'étais venu à l'université, je commençais à faire le droit. Je faisais le droit et parallèlement, quand j'étais à la fac, je me battais pour vivre, bien sûr, je, faisais de l'électronique. Mhm, mhm. Donc, en temps, je réparais des ordinateurs portables, je réparais des portables. Mhm. J'étais dans la réparation et en temps, il y avait une émission qui s'appelait esprime toi Et l'émission, c'était une émission où on se croisait en jeunes chaque mercredi soir à la place AB. On venait parler des questions d'amour, des sentiments. Chacun venait dire son avis sur le thème. Ben, <laughs> moi, je venais bien sûr de la campagne parce que je n'ai connu Niamey qu'en 2011. Quand je parlais, quand je partais parler à la place AB, ça avait commencé à capter les gens. Mhm. Et les gens ont commencé à aimer ce qui faisait qu'à un moment, on me réservait les dernières 30 minutes de l'émission. Ils ont commencé à me surnommer, à mhm. m'appeler Altesse. Et déjà, j'avais un public qui était là. Et un jour, j'ai découvert Jonel Sissène à la place AB, un 9 février. Mhm. Il était en train de déclamer un texte de poésie. J'ai dit, mais ça, c'est quelque chose, c'est de la poésie, mais je ne sais pas c'est quoi. Mhm, mhm. À la base, déjà, comme je suis le fils d'un enseignant, euh, beaucoup, je suis aussi littéraire. Donc, dès le lycée, j'écrivais des textes de poésie. Et quand j'ai une fois parlé de ça à Jonel et aussi à un autre slammer qui s'appelait Boostyle, qui ne mhm. slame plus, ils m'ont dit que c'est possible que je fasse, que je transforme mes textes de poésie en textes slam. Et alors, alors j'ai écrit un premier texte officiel sur l'émission même qui s'appelle Exprime-toi. Mhm. Et je l'ai déclamé le premier texte fille applaudie, un deuxième texte, un troisième texte. Et maintenant, j'étais dans la continuité. À un moment, c'est quand j'ai fait plus d'un an, deuxième année de carrière, toujours dans l'université, les étudiants ont commencé à me dire "Altes, mhm. Altesse, il faut que tu commences à t'enregistrer, il faut que tu rentres dans un monde populaire. À la base, moi, pour moi, c'était pas pour devenir artiste que je le mhm. faisais. Je le faisais juste, c'était juste une passion. Mais avec le temps, cette passion est devenue mon gagne-pain. Aujourd'hui, c'est devenu mon tout. D'accord. Euh, vous avez déjà combien d'années euh, dans, dans, cette carrière et je peux dire que j'ai au moins 5 ans de carrière actuellement. Et mm. vous abordez euh, généralement quel thème ou bien de quoi vous parlez Question de société je, reste toujours dans, la, dans des questions de société nigérienne, mhm. mais ce qui me particularise parce que chaque slammer a une manière, chaque, chaque plume à sa particularité. Mm-hmm, et mm-hmm. la particularité de la plume, c'est-à-dire ne peut refléter que ton comportement ou bien que ta manière de vivre ou bien mm-hmm. les sujets qui t'intéressent. D'accord. Oh, et moi, je suis quelqu'un de très comique, donc du coup, de nature, je suis très comique, ce qui fait que mon slam c'est axé à faire plus d'islam rire, sans que je fais plus d'islam comique. D'accord, nous en venons donc au vif du sujet. Euh, depuis la mi-décembre 2019 est apparue en Chine, plus précisément à Wuhan, la maladie du coronavirus, le Covid-19, une maladie qui s'est très vite propagée dans le monde entier. Elle a touché des millions de personnes et a tué des milliers d'autres dans le monde entier. Le Niger, depuis le mois de mars, vous le savez, enregistre aussi des cas de malades atteints du Covid-19 ainsi, chacun dans sa sphère de compétences apporte sa contribution pour lutter contre cette maladie. Alors, Maman Sani, vous nous, entendez Oui, je vous entends. En tant qu'artiste, comment euh, vous, avez accueilli cette nouvelle Oh, vous savez, cette pandémie euh, du Covid-19 est, est planétaire. Euh, en tout cas, ça touche, euh, c'est carrément le monde entier qui en est affecté. Mhm. Et le Niger, malheureusement, n'est pas épargné. Et c'est pour cela que depuis euh, que l'État du Niger a pris les mesures préventives, les artistes ont commencé, n'ont pas attendu que qu'on leur demande, qu'on leur demande. Et d'ailleurs, comme d'habitude, à chaque fois que et il y a un problème social ou un phénomène social, les artistes sortent pour dire, pour, pour exprimer leur avis, pour, mhm. pour sensibiliser, éduquer les populations. Parce que après tout, l'éducation des masses fait mhm. partie intégrante du métier des arts et de la culture. Donc les artistes nigériens sont rentrés euh, directement dans, dans, la phase de sensibilisation à travers des à travers des chansons, des chansons individuelles et mhm. collectives et puis voilà. Il se trouve que cette maladie est une maladie encore encore connue du monde, mhm, mhm, mhm. inconnue, on va dire. Et donc, il fallait, il y avait la nécessité que d'informer les gens, les populations, à comment, à comment, en tout cas, à comment se prévenir cette maladie, à comment éviter de contracter cette maladie et surtout aussi comment rompre la chaîne de transmission de cette maladie. Moi, je crois qu'à ce niveau, les artistes musiciens en particulier ont apporté la plus grande part de, du travail dans ce, dans ce oui. cadre Et vous particulièrement, euh, euh, est-ce que vous avez déjà eu à réaliser euh, un clip oui, bon, pour moi personnellement, je, n'ai pas fait de chansons. J'ai estimé que il y avait déjà des chansons qui étaient là où ça peut aller. Et c'est, il est vrai, bien vrai que en termes de communication, la répétition est pédagogique, mais euh, j'ai fait autre chose, par exemple, moi j'ai fait j'ai fait beaucoup de posts sur Facebook, j'ai fait beaucoup de statuts sur WhatsApp, sur ma mhm. page officielle Facebook, sur, aussi beaucoup de sites internet, mais aussi nous avons fait des, petites interviews sur mhm. des radios, sur des télévisions où mhm. nous avons où nous avons appelé les populations à respecter les mesures les mesures préventives. Maintenant, au-delà de, de, ma personne, parce que il se trouve que nous avons une association qui s'appelle oui. oui, oui, donc euh, L'association nigérienne des auteurs-compositeurs interprètes et des métiers de la musique, mm. dont je fais partie du bureau exécutif oui. national. Donc, avec cette association, bien entendu, les artistes ont fait les travaux. Les messages que vous véhiculez, vous faites des spots, vous accordez des interviews. Selon vous, quelle est vraiment la portée de tous ces messages-là que vous diffusez ah, ben, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, si, si on enlève, si on enlève en termes de communication et d'éducation de masse, quand on mm. enlève tout ce qu'il y a autour des arts et de la culture, Mhm. C'est-à-dire qu'on enlève toutes les chansons qui ont traité, de, par exemple, de cette maladie, ou en tout cas les chansons éducatives. Et d'aujourd'hui à peut jusqu'au début, depuis le début de la République si on enlève tout ça là, et on enlève ça aussi de la tête des gens, si on enlève du côté des religieux, c'est-à-dire les marabouts, et mhm. voilà, tout ce qu'il y a comme prêche, et si on enlève tout ce qu'il y a comme et, film chez les cinéastes, si mhm. on enlève tout ce qu'il y a comme travaux de comédiens. Je veux dire, tout, si on enlève tout ce qu'il a comme travaux artistiques et culturels, mais aussi des, le côté des religieux, je crois qu'il y aura, aura pas grand chose dans la tête euh, des gens en termes de compréhension de comment mhm. affronter certains défis de la vie. Donc, euh, je crois que l'art et la culture a joué un rôle fondamental et la musique au premier plan, mhm. parce que c'est d'abord les artistes musiciens qui ont fait des chansons, ce qui a permis aux populations de comprendre le danger que nous courons et ils ont été, ils ont pris des, des dispositions qui s'imposent. D'accord. Ok, mm. nous allons revenir vers vous, Altesse. Euh, de votre côté, comment vous utilisez, si on peut le dire, votre, euh, le slam pour euh, vraiment apporter votre contribution dans la lutte contre le Covid-19 ici au Niger Et Moi, à la base, je peux dire que ben, déjà l'art c'est devenu une passion pour moi mm-hmm. et même actuellement toute ma vie tourne autour de l'art et de la communication. Et je suis étudiant en art aussi, je suis en train de faire un master en art, mhm. ce qui fait que nous utilisons toujours l'art dans toutes les circonstances, mhm. non seulement pour dénoncer, pour décrire les cris d'une société, mhm. mais aussi pour appeler une société à l'ordre en, cas en cas de dérapage ou au cas où il y a un comportement adopté. Moi, dès les premières heures du Covid-19, ceux qui suivent ma page officielle, ils peuvent constater que je fais d'abord un premier freestyle que j'ai lancé, un premier freestyle en français que j'ai lancé sur ma page. Et c'était un freestyle audio. Bon, j'ai dit aux gens, c'était pas un clip, mais quand même, il y a des télés qui ont téléchargé mhm. et qui diffusent ça. Et après, quand je fais ça, les gens sont venus en commentaire, ils ont fait des commentaires en masse pour dire, oui c'est très bien, c'est mhm. une bonne sensibilisation. Et si tu pouvais faire une version en langue après, j'ai fait une version en Zarma et bam, à moins de, je pensais à moins de 48 heures, ça fait plus de 30 000 vues sur ma page Facebook. Mhm. Et mon étonnement fit surtout d'entendre partout, quand j'appelle souvent du village, <laughs> tout ça, dans la communauté, c'est tout qui parle la langue. Ça a touché donc. Euh, oh, les gens m'appellent partout, ils me disent Ouais, on a, un avis de sensibilisation. Et sur ma page Facebook, les gens faisaient des commentaires déjà, c'est la meilleure sensibilisation mhm, mhm. et l'information est complète, tout est à l'interne, tout est dedans. Je pense que le studio Kalangu peut jeter un coup d'œil. Mhm. Et vous, êtes Oui, vous êtes déjà présent. Est-ce qu'on peut avoir peut-être euh, quelques secondes ou quelques minutes de prestation euh, de ce freestyle-là euh, Sur le Covid Sur le Covid-19, je peux vous faire un, un quand même. On vous écoute en temps de crise comme en temps de paix, le poète n'accouche que de textes. Face à l'actualité, voici ce que ma plume m'accouche. J'espère que tu le partageras avec toutes les couches et toutes les souches. Je rêve de voir ce jour où chaque homme réembrasser la femme de sa vie. Je rêve de voir ce jour où chaque docteur entre chez lui comme en Chine. Je rêve d'entendre ce cri partout et surtout c'est fini, c'est fini, c'est fini, le Covid-19 est fini, le Covid-19 est fini. Je rêve d'entendre une Italie qui crie le Covid-19 est vaincu, le Covid-19 est vaincu. Hmm. Je rêve, je rêve, je rêve pour l'Afrique, j'ai des mises en garde. Ah. On reviendra, mais quand même, <laughs> j'ai commencé. Ah, Quand même, je pense que vous pouvez, je peux laisser l'intégralité mhm. des œuvres au studio Kalangu en version allemande comme en version française. D'accord. Mhm. Outre ce premier freestyle, est-ce que vous songez vraiment à faire euh, d'autres euh, numéros pour vraiment euh, lutter contre le Covid-19 Moi, je pense que c'est comme l'a dit le grand frère. Hein, et nous irons cette fois-ci plus dans le détail de la. Euh, moi, personnellement, j'ai pas pris d'abord l'engagement parce que j'ai déjà fait deux œuvres de ma propre volonté mhm. et j'ai lâché, euh, j'ai lâché pour donner plus de sensibilisation. Pour le moment, quand même, nous avons, nous avons formulé un petit projet que nous avons laissé au niveau de la cellule comme Covid-19, mhm. que j'ai dénommé la Minute Islam. C'est un projet à travers lequel je compte, c'est tout c'est-à-dire en une minute d'islam dans les trois langues, c'est-à-dire attaquer un volet de la société mhm. ou bien un fait de la société à travers lequel les gens peuvent s'infecter ou bien à travers lequel mhm. les gens peuvent se mettre en danger pour apporter des conseils. Pour le moment, nous attendons une réponse parce que ce que j'ai dit, c'est vrai, nous avons la volonté de faire, mhm. mais à un moment, nous arrivons au terme de nos moyens parce que nous collaborons, c'est tout, avec des gens pour faire le travail. Si moi, en tant qu'artiste, je me dis, bon, c'est mon œuvre, je peux me lever tranquillement, j'ai ma caméra, j'ai tout, j'ai fait. Certains artistes n'ont pas de caméra caméra. Mhm. il faut reconnaître que certains artistes, même s'ils veulent faire, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de studio d'enregistrement, ils n'ont pas de caméra. Donc, du coup, la personne est obligée souvent de se taire avec son œuvre ou bien d'attendre qu'un partenaire l'appelle et que le partenaire finance le son pour pouvoir, bien sûr, enregistrer le son. D'accord. Euh, Maman Sani, oui, je voudrais ça, je voudrais euh, Comme euh, l'a dit euh, Altesse quelques difficultés que les artistes rencontrent. même si un artiste est motivé à vraiment produire ou réaliser un clip ou une musique dans cette lutte, si les moyens ne sont pas réunis, cela ne sera pas possible. Que pouvez-vous dire également sur cette situation oui, ben, écoutez, hein, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Mais je crois que les, artistes, dès la première heure, je me répète, dès la première heure, on, fait ce qu'ils peuvent. Après, c'est vrai, euh, on ne communique jamais assez. Mhm. Euh, on doit continuer, on doit continuer à sensibiliser les populations. Mais il se trouve que du fait que justement, les mesures euh, l'état d'urgence sanitaire a été décrété et que donc euh, il y a bien sûr certaines mesures de restriction hmm. euh, de, liberté individuelle et collective telles que hmm. par exemple le fait que 50 personnes, il n'y a, plus de rassemblement de 50 personnes, hmm. et toutes les salles de spectacle et tous les espaces de loisirs sont fermés. Et donc, euh, les artistes ne peuvent plus se produire. Et les moyens avec lesquels ils font souvent ces travaux-là, au, ils se, saignent, si on peut le dire ainsi, hein, pour pouvoir faire ces productions-là. Mhm. les, moyens-là ne sont plus à leur portée. ils ne mhm. peuvent plus, plus en tout cas exercer leur métier. Ils se retrouvent vraiment avec des économies, si on veut. Même, hein, ça, c'est pour le meilleur des cas, mhm. avec quelques économies qu'il faut gérer avec la famille, avec en tout cas pour les besoins, euh, les besoins personnels. Et donc là, le producteur ne peut plus faire. en ce moment que là, vraiment, l'État doit mettre la main dans la pâte. Moi, je pense que euh, l'essentiel est que nous sommes euh, quand même, sans force modestie, mhm. des leaders d'opinion quand même écoutés sur tout le plan national. Et ça, je parle de, depuis, depuis la, grande ville de Niamey, jusqu'au plus petit village du Niger. Les, gens écoutent ce qu'on fait parce que très souvent, ils savent que nous sommes porteurs de messages, nous véhiculons des messages des messages d'information, de sensibilisation et tout. Mhm. Le fait qu'on sorte déjà, ne serait-ce que sans chanter et que nous sortons, nous parlons, nous disons, avec euh, du vive voix voilà voilà cette maladie qui est là, voilà comment le comportement à tenir face à cette maladie, et voilà comment rompre la chaîne de transmission, voilà, voilà, voilà, et voilà. Je crois que les populations nous entendent et c'est efficace. Mhm. Mais il se trouve que dans la, communication, on ne finit jamais, la répétition est pédagogique, je le disais tout à mhm. l'heure. Donc, euh, je ne l'ai pas, je n'ai pas fait comme vraiment une chanson, mais il se trouve que moi, je proposais à des euh, compte tenu de mes moyens, mhm. mes moyens et compte tenu aussi de la situation qui fait que je ne peux plus rentabiliser mhm. mes travaux de l'autre côté, je ne peux plus me permettre en ce moment de, d'aller dans un studio produire une chanson, aller faire le clip et tout ça là quoi. Pour au détriment de, au détriment personnellement de ma <laughs> famille. Je dois gérer déjà ça. Mais nous sommes ouverts à faire s'il y a des s'il y a des bonnes volontés, je veux dire des des, des organismes euh, euh, des, organismes étatiques ou mhm, peut-être mhm. Euh, euh, des institutions internationales sont nous sommes ouverts et nous sommes même d'ailleurs allés vers eux pour proposer mhm. de, faire, de travailler ensemble en partenariat pour qu'ils au moins produisent, euh, prennent en charge les frais de production de ces œuvres et nous ferons ce travail vraiment avec grande joie. D'accord. Voilà. Mm. merci de rester au bout de la ligne. Alors, je reviens vers vous, euh, Altesse. Euh, sur le terrain, concrètement, euh, qu'est-ce que vous faites d'autre pour lutter efficacement, comme on le voit dans d'autres pays, comme l'a dit même notre, euh, votre collègue tout de suite, Maman Sani, des tweets, des statuts sur sa page. Est-ce que qu'est-ce que vous faites davantage à part votre les freestyles là que vous faites eh, Il faut surtout dire une chose. Eh, la période de Covid-19 est une période dans laquelle les contacts sont surtout à éviter. Mhm cest veut dire que 200 sensitaire comme en temps normal, réunir les gens, et les sensibiliser, ce n'est plus possible. Mm-hmm. Dans le temps normal, si ce n'était pas en temps d'infection ou de maladie, on peut dire on peut réunir une centaine de personnes et leur faire passer le message. Voilà. De le moment où je ne peux plus réunir des gens pour me faire du gombo, donc ce n'est pas possible que je réunisse des gens mm-hmm. pour leur dire prenez soin de vous. Mais quand même, ce qui est sûr, c'est que nous, nous faisons face à un siècle ou au moins il y a plusieurs canaux de communication qui sont disponibles. Mhm. Et à travers ces canaux de communication, ma voix porte. Mhm. Quand je dis ma voix porte, par exemple, moi, ma, vidéo freestyle en allemand, les gens l'ont balancé de WhatsApp en WhatsApp, de groupe, Souvent, souvent ça me revient même dans le fil. Je mhm. J'ai vu même des hautes personnalités, des ministres et autres, m'écrivent en inbox, qui me disent ils ont besoin de ma vidéo sur mhm. WhatsApp, je les mhm. envoie ça, ils envoient ce qui fait que c'est à dire c'est une tournure que je ne peux pas quantifier. Je me dis souvent quand tu fais une belle chose et que ça passe déjà, tu te dis que en tant qu'artiste, tu as donné déjà ta part de contribution comme tu peux. Mhm. Maintenant, ce que je dis, il y a aussi le rappel est, aussi nécessaire même en, matière de religion. Mhm, mhm. Et nous faisons le rappel, par exemple, aujourd'hui, par exemple, tu m'as appelé, je suis là. Mhm. Si une autre télé m'appelle aussi, je serai là. Tous ceux qui m'appellent, je serai là pour parler de cette pandémie-là comme je le peux. Et surtout aussi, il y a aussi nos comptes Facebook, nos Twitter moi, je suis quelqu'un de très actif sur Facebook, mhm, sur, les euh, réseaux sociaux. Donc, ce qui fait que chaque jour, je fais au moins un post Covid pour parler aux gens, tout ça, pour parler de la situation, pour dénoncer aussi souvent les dérives de la communauté. Ce qui fait que je peux dire que nous faisons mieux. Mais, ce que je dis aussi, les freestyles, c'est enregistré avec du matériel. Mais personnellement, aujourd'hui, faire un clip de grosse facture, comme l'a dit le grand frère Mamansani, mhm. je ne peux pas le faire. Quand je dis je ne peux pas, je ne peux pas. C'est-à-dire, moi, je fais partie aujourd'hui de cette catégorie d'artistes qui est polyvalent. C'est-à-dire polyvalent C'est-à-dire je fais plusieurs activités à la mm-hmm. fois pour survivre, ce qui fait que l'art est resté une passion pour moi. Mm-hmm. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre cette émission. avec la mesure du couvre-feu prise par les autorités du Niger pour limiter la propagation du Covid-19, toutes les manifestations culturelles ont été interdites. Pas de possibilité de se produire sur scène. Maman Sani, oui. Euh, donc euh, nous en venons à cette question. Vous, artiste, comment vous gérez cette situation euh, Très bien. Bon, déjà au niveau de L'association nigérienne des auteurs compositeurs interprètes et des métiers de musique en Assine. Euh, nous n'avons pas attendu pour aller vers, euh, vers les autorités, c'est-à-dire euh, le ministère de tutelle et le ministère donc de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale. Mhm. Nous sommes allés vers le, ministère pour le ministre nous a reçus et nous sommes contents de le dire ici pour écouter en tout cas nos notre cri de cœur. Mhm. Nous sommes allés, en tout cas, donc, expliquer au ministre que depuis le 18 mars, depuis le 18 mars, en tout cas, le jour où les mesures ont, sont rentrées en vigueur, il n'y a plus de spectacle pour les artistes, mhm. du domaine, particulièrement du domaine de la musique, et que, justement, du fait que euh, ceux qui jouent, par exemple, le matin dans les mariages, dans les, les, baptêmes, mhm. euh, et aussi dans les cérémonies officielles, euh, ou alors que certains promoteurs de spectacles organisent leurs concerts et puis les appellent pour venir presser et, gagner un cachet. Toutes ces activités se sont arrêtées. Mm. Alors, il nous fallait, il nous fallait, il nous fallait dire et que parce que justement, le fait, du fait que ces mesures, toutes ces mesures ont été prises, l'État du Niger a pris des mesures d'accompagnement. Mm-hmm. Mais il s'est trouvé malheureusement que, en tout cas, dans le discours du président comme même dans la, dans, dans, la mise en œuvre de ce plan des mesures d'accompagnement, les artistes n'ont pas été pris en compte. Hmm, malheureusement. Donc, euh, malheureusement. Donc, nous avons, nous nous sommes dit qu'il va falloir aller faire, aller vers, vers notre ministère du social expliquer qu'il faudrait bien qu'on voit notre cas mhm. et que bien que euh, c'est triste de notre part de le dire, sous d'autres cieux, et avec cette situation, les artistes ont contribué. Mhm. Quand les arts marchent dans mhm. un État, quand les arts et la culture marchent dans un État, mhm. c'est une grosse économie, c'est peut-être même plus grande économie qu'un qu pays, qu'un peuple puisse avoir, hmm? les arts et la culture. Voilà. Euh, en temps normal, c'est plus que l'or et le pétrole. Donc l'impact, si on peut le dire, il est énorme. Oui, oui, l'impact est énorme. Et donc nous, nous sommes allés, nous sommes allés euh, à défaut, parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens, l'industrie des, arts et de la culture ne sont pas développées au Niger et mm. donc nous n'avons pas eu les moyens d'accompagner l'État avec des ressources financières, mais nous avons fait des chansons de sensibilisation. Mm-hmm. Maintenant, nos moyens nous sont terminés, euh, nous avons épuisé nos économies et mm. il va falloir que l'État prenne en compte cet aspect social et qu'on les, les, les mhm. Donc, dans cette catégorie des gens que malheureusement, c'est malheureux de le dire, mais c'est ça la vérité. Mhm. Dans le cadre des, voilà quoi, dans mesures d'accompagnement qu'on catégorise parmi cette tranche sociale de la population qui a besoin de l'appui de l'État. Donc, euh, nous avons fait ce plaidoyer au niveau du gouvernement, mhm. au niveau du gouvernement à travers le ministère, mais aussi nous sommes allés, le ministère nous a sollicité pour qu'on accompagne les, les de l'hôtel Gawi. En son temps, le ministère a fait même un point, une cérémonie officielle où nous sommes allés, donc, au nom de tous les artistes nigériens, donner euh, des CD, beaucoup de CD, je vous assure, et mhm. beaucoup d'orchestres, donner des CD pour accompagner les gens, les confinés de l'hôtel Gawi à pouvoir. Euh, trouver un peu assez se à, voilà, le temps qu'on, de, finir leur quarantaine. Déjà, en termes d'action, voilà ce qu'on a fait. Mais aussi, on a fait un point de presse où on a lancé un appel au président de la République mhm. pour euh, que, effectivement, lui aussi, en tout cas, prendre l'opinion nationale à témoin et demander au président vraiment de nous accompagner. D'accord. Euh, Maman Sani, euh, dans d'autres pays, on voit certains artistes euh, qui se mobilisent sur les réseaux sociaux parce que si le contact n'est plus possible avec les fans, donc pour rester en contact avec ces fans-là sur les réseaux sociaux, ils font des, ils balancent mm. quelques vidéos de prestations. Vous, concrètement, est-ce que vous songez à faire cela pour ne pas perdre la main, si on peut le dire euh, ben, écoutez, hein, nous, je pense que nous le faisons. Euh, il y en a beaucoup d'artistes qui le font ici. Mhm. Euh, je crois que tout de suite, Altesse vous dit qu'il fait des, postes. Mhm. je vous ai dit aussi que je fais des postes. Mais ça, c'est juste dans le cadre de, dans, le cadre de la sensibilisation contre mhm. cette pandémie. Mais maintenant, par rapport à mes travaux, mes travaux de création culturelle, je ne l'ai pas fait, je n'ai rien fait de tel en ce mhm, moment, mhm. Euh, parce qu'il se trouve que moi, en ce moment, je suis, euh, j'ai la chance et l'honneur d'être dans le bureau du, du, de l'ANASIM, le bureau mhm. national de l'ANASIM, et que nous sommes en train de prendre en compte tous les, toutes les revendications, tous ce que les, les, musiciens du Niger, et je vous parle vraiment des musiciens du Niger, parce que l'ANASIM a recensé a fait un recensement général de tous les musiciens du Niger. Mhm. Et nous sommes encore sur ces recensement. Du coup, je n'ai vraiment pas beaucoup de temps pour ma personne et ma musique. J'ai voulu travailler avec, euh, euh, travailler pour tout le monde. Et voilà, c'est dans cette identité que nous sommes. Et je crois que ça fait, ça participe aussi de ma contribution dans les arts D'accord. Altesse euh, Slameur, comment vous résumez vraiment l'impact de cette maladie sur vos activités? moi, tout à la fac, les, les amis m'appellent toujours le gomboman. <laughs> le gomboman, c'est-à-dire eh, le gombo, ah, c'est une expression d'art et nous appelons l'argent en art le cachet ou bien le gombo. <laughs> Et donc, euh, j'ai dit tout simplement que moi, la musique, c'est le seul domaine dans lequel je peux gagner des gros chiffres en un temps mhm, record. Mhm, mhm. Parce que ce que je fais par loin, c'est normal et aussi que ça rapporte beaucoup de chiffres. Il n'y a qu'un boulot qui peut me donner en une journée cette euh, sept chiffres si ce n'est pas de la musique. Mhm. Et quand ce boulot-là s'arrête, il ne faut pas me poser la question à savoir si ça n'a pas d'impact. Ça a mhm. énormément d'impact sur mes activités, mhm. sur mes projets parce qu'il y avait beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de séminaires sur lesquels, mhm. parce que moi personnellement, les séminaires, les réceptions, les cérémonies d'ouverture, c'est mon fort parce qu'on m'appelle, j'écris un texte sur un mhm. événement, et je pars, je déclame le texte sur l'événement, on me paie mon cachet et puis je circule. Mhm. Ce qui fait que je vis de la créativité quotidienne. Et quand les gens ne se rassemblent plus, ce qui veut dire que cette créativité quotidienne s'arrête, elle part en pause. Et du coup, et aussi, je dis aussi surtout que j'ai peur que cette période-là perdure parce que quand ça perdure, mon mhm. cerveau va s'habituer à se reposer qu'à se battre quotidiennement pour produire de nouveaux textes. Non seulement ça peut être une période où les artistes peuvent s'habituer à devenir fainéants, et aussi c'est une période où il y a beaucoup d'artistes, je l'ai dit, c'est hein, tous ceux-là qui n'ont pas économisé. Mhm, mhm. Ou bien par exemple quand je pense au monde du théâtre, dans, au monde de la danse, surtout au Niger, où les artistes, c'est à peine que tu vas voir 8 personnes se réunir autour de 100 000, ou c'est à peine que chacun s'en sort avec 10 000, 10 000. Ces gens-là, c'est à peine que, même en temps normal, ils s'en sortent. d'accord Imagine dans cette période où ces gens-là, même les, à dire les petits gombo-gombo qui ramassent là, ne sont plus là et qui n'ont pas pu faire de codes d'économie parce que c'est à peine qu'ils payent leurs factures, leur loyer et puis on en vient. Mhm. Moi, je me dis que le fait que euh, l'association des grands frères, on puisse s'adresser bien sûr au ministère, qui continue bien sûr de s'adresser à toutes les institutions aussi partenaires de l'art. Mhm afin qu'ils trouvent une solution parce qu'ils doivent penser que le monde de l'art, même en temps normal, on fait partie, je le dis entre griffes, je m'excuse du terme, on fait partie de cela que beaucoup de personnes nous classent comme des renégats de la mhm, société. Mhm. C'est-à-dire les gens écoutent ce qu'on fait. Au Niger, surtout, l'artiste musicien est devenu comme ceux-là qui font entre griffes eh, la, eh, qui font un peu entre griffes, si on peut dire, la vidéo d'adulte. Mhm. On regarde tous, mais <laughs> quand on nous demande de prendre, souvent certains disent non. Est-ce que tu vois ce qui fait qu'aujourd'hui, des gens qui, même en temps normal, sont un peu à l'écart de la société par rapport à leur pensée, à leur manière de vivre. Et quand une grande circonstance comme celle-là se présente, ils vont demander à qui de l'argent D'accord, d'accord. Personne. Alors, Maman Sani, euh, nous sommes presque à, la fin de cette euh, émission. Euh, selon vous, quel vraiment doit être le rôle pour finir vraiment le rôle que doivent concrètement jouer ces artistes dans cette lutte Qu'est-ce qu'ils doivent faire davantage euh, d'accord, donc je disais que quand même les artistes euh, euh, ont joué leur part de, de partition. tout ce qu'on peut faire, hein, c'est de faire des créations, des créations de sensibilisation à l'adresse des populations et que nos messages soient écoutés et nous sommes sûrs que nos messages sont très écoutés par les populations. Mhm. Maintenant, il faudrait que qu'on, faudrait, nous avons envoyé l'ascenseur, il faudrait, il faudrait qu'on nous renvoie l'ascenseur. Mhm, que mhm. notre, nos activités économiques sont complètement impactées. Mhm, euh, sans trop aller dans les chiffres, je vous prends juste un petit exemple. Imaginez tous les orchestres qui jouent en année du lundi au vendredi. Il y en a autour de 13-14 orchestres qui jouent. Euh, il, y en a, au moins 7 qui jouent du lundi au vendredi. Et il y en a euh, et 13, 14 qui jouent du vendredi au samedi. Et chaque orchestre a au moins 15, voire même 20 personnes qui vivent autour de ça. Donc, il s'agit peut-être de, de, de 20, familles, quelque chose comme 20, familles, 20 familles fois 13 ou 14 mhm. orchestres qui sont privés de leur, de leur bien quotidien. C'est énorme. Vous voyez, voyez, voyez, voyez c'est énorme. Et mhm. aussi, maintenant, au-delà de ceux qui jouent, les orchestres qui jouent, par exemple, dans, les bars, dans les maquis, dans les hôtels, il faut aussi mettre, prendre en compte qui jouent que dans les soirées spéciales, dans les, dans les cérémonies officielles, dans les mhm. baptêmes, dans les mariages, vous voyez, c'est énorme, c'est énorme. Mhm. Donc là, non juste le cas des, grandes villes. Mais mhm. aller, le problème est beaucoup plus profond. Il faut aller dans les départements, dans les communes, dans les villages, dans les hameaux. le même problème est là. c'est avec tout ce nombre de personnes qui sont impactées négativement par ces mesures, il faudrait que l'État vraiment nous renvoie à l'ascenseur. Nous avons déjà de notre partition, nous avons quand qu'on nous le demande, c'est un travail qui normalement qu'on n'est pas obligé de faire. Mhm. On peut juste faire des musiques euh, mhm. comme, toute industrie artistique mhm. des autres pays. Nous pouvons faire que de la musique commerciale et sans considération, sans faire dans tout le monde et, ça s'arrête là. Mais la plupart d'entre nous ont décidé de faire des musiques de sensibilisation, d'éducation de maths. Et donc à travers cela, nous avons contribué, nous avons joué le rôle, ou en tout cas, nous avons contribué au travail que l'État doit faire, celui d'éviter la population. D'accord. Alors, on doit nous renvoyer l'ascenseur en nous prenant en compte parmi les gens qu'on doit pouvoir supporter, à pouvoir nous aider à aider l'État du Niger à les populations en bonne santé. Mhm, mhm. C'est-à-dire qu'à ce moment, compte tenu déjà, il y a deux facteurs. Soit on nous aide financièrement, ou alors on nous accompagne avec les moyens qu'il faut, les moyens, les moyens. Merci donc euh, Maman Sani. Donc euh, nous sommes euh, à la fin de cette émission. Mais Maman Sani, avant de finir, vous êtes artiste. on peut peut-être avoir quelques secondes, une minute d'une petite note que vous pouvez peut-être improviser, note musicale sur cette maladie. <laughs> cette maladie, je ne sais pas. En fait, le téléphone est entre mes mains. Si je pourrais jouer une, mélodie. là, vous me demanderez de chanter alors. Oui, hmm. juste en acapella peut-être. <laughs> d'accord, d'accord. Corona, Corona, Corona, Corona, Corona Corona, Corona. <laughs> merci, merci bien, Maman Sani. Merci d'être resté vraiment au bout de la ligne pendant ces 45 minutes. Et donc, à, très bientôt pour une autre thématique. Alors, je reviens dans ce studio euh, Altesse Lameur. On est à la fin de cette émission. Mm. Peut-être euh, un petit freestyle pour finir. Ah. Qu'est-ce que je peux dire Parce que moi, je me dis aussi, tout en dehors du Covid, il faut surtout penser, surtout dans cette période, et surtout aussi penser à donner le moral aux gens. Mm-hmm. Il ne s'agit pas que de faire peur aux gens avec ce mm-hmm. Covid-là. Mm-hmm. Il faut leur donner aussi le moral de vivre parce que nous sommes dans une communauté où on fait face déjà à beaucoup de maladies. Donc, du coup, tout ce que je peux dire, c'est que on a connu Ebola, mais on est toujours là. On connaît le sida, mais on est toujours là. <laughs> On connaît le méningite, mais on est toujours là. L'Africain ne perdra jamais la joie. C'est pas face à toi, Corona, qu'on lâchera. On respectera les mesures, on s'impliquera. Et Inch'Allah, on s'en sortira on s'en sortira. C'est sur ces mots donc euh, que prend fin cette euh, émission, chers euh, auditeurs et auditrices de Studio Kalangu. Comme vous l'avez si bien entendu à travers les, les interventions de nos deux invités, les artistes nigériens s'activent, se mobilisent activement dans la lutte contre cette maladie, le Covid-19, qui sévit dans notre pays. Néanmoins, le manque de moyens constitue un frein à leurs différentes productions de musique de sensibilisation. Il leur faut donc euh, un appui assez consistant pour vraiment euh, les accompagner. Et c'est ici donc que prend fin cette émission. Merci à nos deux invités. Il s'agit d'Altest Slammer. Altest Slammer, merci d'être venu. Merci Steve. Maman Sani, Adam Moula, artiste musicien, merci également d'être resté au bout de la ligne. À la présentation, c'était Nafis Adam Sirfo, à la technique Issa Kalawali. À très bientôt pour une nouvelle thématique sur le studio Kalangou. Au revoir.